bu fekkee ne Sénégal fexe nañu ba ñu ngi vraiment gérer te loolu aussi dama ci au opposition ñu bañ a utiliser le contexte du coronavirus vraiment à des fins euh, politiciennes loolu nañu ko jéem a parce que euh, fi ñu toll nii virus bi xàmmewul xàmmewul parti xàmmewul ku ne opposition xàmmewul ku ne société civile xàmmewu ko kon nañu seet même bu fekkee ne am nañu divergence ñu teg proposition yo. xam ne yi mooy tax ñu mën a euh, gën a sénégalais yi

L'État a aussi des dispositions je l'ai dit, l'État, état président de la république a un euh, budget pour soutenir l'activité, euh, pour soutenir les nekk ci secteur informel soutenir les entreprises pour ñu licenciements, des indi ay licenciement euh, ak yu ni mel donc loolu dafa laaj aussi ñu boole suñuy xel vraiment en tant qu'acteur économique social voilà ak politicien boire boo mënti euh, vraiment nous menons euh, ce chaladie, nous nous gênons rafeté pour trouver des solutions. pour nous y allons, on commence d'aller toutes ces activités. Ouais, on a quand même parce que nous fallait déjà, fallait déjà, fallait déjà monter. Tout le monde a ramené nous à 20 000 morts, 30 000 morts, à 40 000 morts. Euh, Les techniques ont commencé oubli. Euh, c'est pour que nous sept nous y menons, madame. Euh, euh, comme comme bo xamné nit ñi duñu naan ah déedéet dañuy génn par force parce que amatuñ lu ñu lekk loolu it réew waru waru caa àgg euh, donc je pense que euh, loolu la euh, nañu jël diversité opinion yi Sénégal nag aussi ñëpp bokkuñu ni ñuy xalaate bokkuñu fi ñuy liggéeyee bokkuñu am-am bokkuñu mën-mën donc booy diriger loolu it da nga ciy bàyyi xel te surtout encore une fois suñu mbokk politiciens yi ku ci ne vraiment jàpp ne moment wu du moment wu sax politique politicienne Je euh, suis d'accord, d'accord Ouais, toujours une proposition à